Thank you. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce numéro euh, du Niger sur Kalangou de ce mercredi août 2024. Il est 11h à Niamey et ses environs et c'est l'heure de notre émission. À la présentation, je suis Samira Wafi et avec moi Maria Madi. Mariam, comment tu vas ce matin Ça va bien, ma belle, et toi Je vais bien, merci. Alors, euh, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Nous débutons cette édition avec le flash d'information et dans notre rubrique invité du jour, nous recevons un ancien joueur de foot, j'ai nommé Abdelrazaki Saka, initiateur d'un TGV appelé Coupe Baouché au quartier Harobanda. Avec lui, nous parlons de la particularité de ce tournoi des grandes vacances. Nous irons aussi en région, plus précisément à Difa, pour parler du projet de la grande irrigation. Nous parlerons également environnement de la rubrique hebdo, la chronique Loti préparée par les femmes du studio Kalangu et la page Sport, sans oublier la dose quotidienne des musiques que nous vous proposerons. L'édition est assurée par adam adawaki à la technique, c'est Mustapha Ayouba. On débute cette émission avec le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour euh, Mariam. Bonjour Samira. Bonjour. Nous débutons ce flash d'information avec les nouvelles des athlètes nigériens aux Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, Noureddin Isaka Garba a affronté ce matin l'Australien Belé Lewis au huitième de finale en taekwondo dans la catégorie des moins de 58 kg. À l'issue du combat, le Nigérien a été surclassé par son adversaire sur un Discord de 2 à 0. Fin des compétitions pour le taekwondoïste Nouridine Isaka Garba. À présent, l'espoir des Nigériens se porte sur Abdelaziz euh, euh, Abdelazak Alfaga, le champion olympique du Niger qui fera son entrée en compétition le samedi 10 août. Après Niamey, c'est la base 101 d'Agadez qui est rétrocédée par les Américains au Niger. Le retrait euh, des forces américaines du Niger s'est achevé lundi 5 août 2024 avec euh, la fermeture de leur dernière installation, la dite base, conformément aux exigences des autorités de la transition. Au total, 123 vols et un convoi terrestre ont permis de désengager 610 militaires et 23 aéronefs le commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, qui ajoute que la coordination se poursuivra entre les forces armées nigériennes et américaines au cours des prochaines semaines afin de s'assurer que le retrait total s'effectue comme prévu. Une vingtaine de personnes sont encore présentes au Niger, a déclaré lundi Sabrina Sink, porte-parole adjointe du Pentagone. Hier soir, une grande pluie s'est abattue sur la commune rurale de Tamaya dans le département d'Abalaka. Des sources dans la commune affirment qu'il y aurait une centaine de ménages sinistrés et un quartier totalement submergé. Aussitôt informé de la situation, le directeur départemental de la protection civile d'Abalaka, accompagné des autorités préfectorales, se sont mobilisés pour se rendre sur les lieux la commune a enregistré d'importants dégâts. La voie principale est endommagée par les eaux. Le pont menace de céder. Néanmoins, des consignes ont été données à la population sur la conduite à tenir. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 7 août 2024. Merci Mokhtar, à bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci Mokhtar. Et comme annoncé en début d'émission, nous avons ce matin comme invité Abdulrazak Isaka, initiateur d'un TGV appelé Coupe Bahouchi. Avec lui, nous parlons, je le disais tantôt, de la particularité de ce tournoi de foot de quartier. Bonjour. Bonjour. Mais avant de commencer, on se ressource en mélodie avec cette musique qui fait le loge de la femme nigérienne. Respectons la femme, c'est la mère de l'humanité.

nis barak porfele ga hayandi ga ta ben nis barak porfele ga mukhsandi ben nis barak porfele ga thabandi ben nis barak porfele ga hik ga ta ben nis barak porfele ga lambandi Overs condition ke saas sunadi baat nahi Overs condition no kana ikoge isai furtisra Mauvaise condition, que ça, sonaille avortement. Ça fait pitié au secours, sauvons nos pauvres femmes. Et la femme et les enfants la c'est la mère de l'humanité. Et la femme et les enfants la c'est la mère de l'humanité. Eh, ne ni il faut se, ne du gâteau, nibayinise bara ifose nigahigigata e nibayinise bara ifose nigamukusande e nibayinise bara ifose nigatabande bande bande bande bande Vous l'avez compris, c'est le titre La mère de l'humanité des Adams Junior, il est natif de Gaïa de la région de Dosso. Adam Junior a été le premier reggaeman à Nigeria avec ses titres devenus cultes. Malgré sa disparition, l'artiste continue de vivre à travers ses titres. Et oui, après une longue maladie, l'artiste s'est éteint le 30 mars 2009 à New York à l'âge de 43 ans, des suites d'une longue maladie. Aujourd'hui, Adams a laissé des œuvres qui le rendent immortel. acabar C'était le titre La mère de l'humanité euh, du défunt Adams Junior lokaci yayi da Dawa dawo a magana don kasancewa tare da abokin hirar mu ta yau da muka gayyato wato Abdulrazak eh, da fatan dai wannan faifan ya ƙayatar da ku. To madalla za mu fara da sanin shin menene manufar wannan turnuwa na kwallon kafa na ku? Kom ah, ni ancien ne joueur a isi Nijelek to balo a cikin shi ma nike ciki. to abin da Allah yi a cikin balan da ne na samu rashin lahiya wajen shekara uku ina kwance to da ja ban iya balo sai ina kwance dai ne wata ran na sami idan wannan yin tunuwa na ce to tunda ban nan gashin balo zan sa kofi a saman suna na kubba haushe 2021 na hawa premier edition to madalla ita manufar miye manufar ita kubba haushen kubba haushe wannan tunuwa ne kaman na yare ne kubba haushe na ce zan ɗora kofi na yara na ediset mhm. kamar masu shekara goma sha bakwai ok to madalla ko muna iya sanin su eh, ekip in da ke participe a cikin wannan turnuwa in yaya kuke zaben su wawa ekip in da suke shiga cikin wannan turnuwa muna nan ga selection ne kaman yaro duk wanda yake juwan balo yaro na idis ba sai an gaya maka ba mhm. muna zuwa kuma muna da mutane da suke cewa wannan in ya huce shekara goma sha bakwai ba dokan shi haka ne kun ba ni ɗaya bane ke selection in ba akwai mutane wajen hudu ekip abin ga komite eh, gare ku na komite da organization ba okay okay target da su muke nan ga selection din ekip nawa ne suke shiga cikin wannan gasa a bana wallahi bana ekipa goma sha takwas suka shiga bana kuma ekip bana na haro bane kadai bane ba duka akwai yan yamai duka sai gendarmerie sa olympic wa da duka suna ciki da mm-hmm. su faransa duka get money duka suna ciki madalla to ko muna sani yanzu a wani mataki kuke na gasar yanzu a wani nivo kuke eh, da final ake yi ko kar da a yanzu nivo da muke final ne muke in Allah guda mu na gaida lahiya samdi ne final ke fiti da sai zai mm-hmm. to shin eh, ko muna iya sanin biya ake yi a shiga ita wannan gasa ko ka gane eh ana nan biya bemil ne ake nan biya duka ekipa bemil ne yake kawowa okay kowace ekip jika ashirin eh, kowace ekip jika ashirin suke kawowa mhm, mhm. to su jika shiga in yani ake da su cikin harkar komite da organization ne ake sa shi ko yaya waye jika in nan cikin harkar komite da organization ake sa shi tunda akwai alvitirka da muke nan ga dokowa mhm. da su kameraman na uvertir dukan ana wannan da har da ma polisai muke dokowa saboda dukan duka tara mutane da yawa Mhm. babu tsaro babu mhm. tsaro akwai matsala tunda akwai sifotayar da sai dai a hankali mhm. tunda dubun mutane suke zauwa wajen gani dole ne sai da tsaro to madalla ko muna iya sanin wani tukunci su ekip in koko su eh, matasan da suka zama zakaru mi za su samu kamar tukunci wallahi wanda suka zama champion komi suna samu suna akwai medai akwai su baluka akwai mayor gardien mayar bitter Mm-hmm. duka akwai su da kub duka mm-hmm. da mayu amma tunda muka ware nan tunda mu bamu da hali muka ce bamu nan safirin kuɗi amma duka abin da ake bala cikin balo muna muna bada shi suka ce sun yarda da shi to madalashin wannan hanya ce wa su matasan da suka kware a gane su a ɗauke su su tai wani babban mataki ko ko yaya eh wallahi wannan duka tunda akwai jan da da suka iya balo mm-hmm. amma in ba cikin wannan tunon ba ake nan ga duka yara ba nan ganin su tunda akwai mutane manya da suke zuwa suna kallon balo akwai yara da suna da avenir sosai a balo a cikin wanga ana iya ganin su suna iya zuwa club haka nan tunda kowa a haka ya fara duk wanda bai fara tunuwa ba juya cikin unguwa ba bai zama babban zuwa. to abin da sadai ɗazu ka ce muna ku bahaushe kenan kai ne ake ne suna da bahaushe eh ni dai ne bahaushe to haka ni ma zan kira ka to bahaushe ina so in sani eh, su ekipi in duka na hago banda ne koko daga dukkan yamai mai duk mai so inda UD set ne yana iya shiga gasa eh wannan tunon ba na hago banda kadai bane ba mm-hmm. dukkan yamai ne kai ba yamai ba ko wani kasa ne yana so yana iya zuwa mm-hmm. tunda kuma bahaushe ne bahaushe ba hago banda kadai ma balo ba dukkan yamai ne wannan to da shin wani tegan ne ke karbar wannan gasa tegan wani tegan wanda ake samu sai je tradition nan da ne yake okay cikin hago banda kenan cikin hago banda yake wawa mm-hmm, to madalla eh, kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa mu za mu je mu huta da wani faifai wato lomi tombe do mdm ko kafin mu dawo don ci gaba Remplacer tout l'amour qui y a au fond du cœur de l'humanité. Tu te demandes souvent quel sera le sort de ces enfants sans humanité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. Ce drame va durer longtemps. pourquoi ce nom maman tu perds tout le temps? Est-ce un crime d'oublier toutes nos peines? Nos cœurs se remplissent plein de haine. On vit comme dans un Guantanamo. et eh, Guantanamo. Eh, ah. Guantanamo. Faut briser toutes nos chaînes. Guantanamo. Eh, Guantanamo. Ah. Guantanamo. Faut briser toutes nos chaînes. L'empire du vampire. En Afrique, les choses sont pires. L'argent a remplacé tout l'amour qui y a au fond du cœur de l'humanité te demande souvent quel sera le sort de ces enfants sans immunité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. je te le dis par pitié, pose ton Faut pas tirer mon frère, pose ton âme. fils et ta femme, ton père et ta mère, sèche leur larmes. Il est temps pour la paix, temps pour enterrer nos si tu creuses ton sous-sol pour enterrer ton fer, il le creuse pour ton pétrole, ton uranium, ton or et tout ce qui est cher. C'est pour ça ils veulent ta guerre, ils vont se ravitailler, ils vont te minimiser, de choses te rapatrier, te qualifier de sol étranger. Mon Afrique pas très mal, mal Afrique L'argent a remplacé tout l'amour qui y au fond du cœur de l'humanité. Tu te demandes souvent quel sera le sort de ces enfants sans immunité. Le mur est tombé. Le mur est tombé. L'Afrique est dans la souffrance. L'Afrique dans le sang de ses enfants. Éteignez-moi tout ce feu. Laissez mon pays au moins respirer. Afrique va mal et son peuple dans le feu. Euh et son peuple dans le feu. Eh, eh, eh. Et son peuple dans le feu. Je sais vraiment pas ce qu'on a sur le cœur, mais la haine qui nous ronge tout au fond dans nos cœurs. On se fait à faire, on s'insulte à faire, sans se rendre compte devant nos âmes aux flammes de la est Pire, on le plus hypocrite et honnête que déjà malhonnête. Ils s'en prennent à nos têtes et nous accusent de trahison. Ou en Afrique, nos espoirs se disent. Ce groupe est composé de deux frères Majesty Soul et Sir Muslim. Ils ont débuté leur carrière musicale à Gadez avant de s'installer à Niamey. Ils sortent leur premier titre en 2006. Mais c'est entre 2008 et 2010 que le groupe a s'est fait remarquer avec la sortie de leur premier album Enfant du bloc. Ce groupe chante euh, les espoirs, euh, des désespoirs des Nigériens, l'amour, euh, l'espérance, mais aussi leur quotidien, quelquefois dans les langues locales. L'artiste engagé, artiste engagé plutôt, il n'hésite pas à promouvoir dans leurs chansons la culture africaine, mais aussi la justice sociale, et la protection des enfants. Voilà, c'était tout pour le titre Le mur est tombé de MDM Crew et on revient en studio avec notre invité du jour. Bahaushe mun dawo gare ku yau muna so mu sani cikin aikin gana ku dauke na turnuwa wani irin matsaloli ne kuke fuskanta? Wallahi matsalolin da muke fuskanta yana da yawa ciki tunda fisbillahi a cikin turnuwan nan muna da matsaloli da yawa me matsaloli da yawa wajen tallafa muna. Mhm. Tunda yanzu muna cikin halkatar mai edition. Kuma mai edition mun yi shi garati da ya zama edition mun yi shi kenzimil. mil. Tukwa zama mun yi shi kenzimil mil zaka mai 20 muka sa tunda fisibilai muna nan ga neman ed kun ce 20 prix d'entrée ne 20 ko kuma eh prix de na shiga shine shiga ba to yanzu muna so mu sani cikin aikin gana ku da kuke na turnuwa kuke kuna tsare masu lejuwar kison da suke ciki wallahi muna nan ga ka police tun da fisibilai don inda akwai dubin mutane dole sai an nemo tsaron mutane tunda akwai polisai bancin polisai ma akwai 'yan karhe da muke nan ga dokowa muna nan ga biyan su ku ne ke biyan ko kuma kuna samu da suke tallafa muku kuna a wallahi mu dai ne muke biyan su a cikin kuɗin da yaran suke bada shi dai ne muke biyan su kadan. kadan to malam bahaushe su masu shirya taron wato ku kenan mhm. eh, yaya kuke kula da su wa'annan 'yan wasa ta bangaren wata jimuwa ko wani rashin lahiya dai haka yayin da ake na ana shi turnuwa wallahi akwai wani garin farki na kwamshi likta ne tun dezin premier edition har yanzu haka term edition na samu wani matsala jikin wajen jumuwa shine nake kirawa kuma shi ne ke tallafa min da harkar nan wani yaji mutum da a wani dezin edition ma akwai wani yaro da yaji mu shi ma mishi dimki a wani a saman huskan shi amma wannan katon edison ba mu samu wani matsala ba wani bai ji ciwo ba wani bai karye ba wallahi Mhm. to madalla to su kayan da ake kayan aikin na da shi gagan fagagin yake utilize ku ne ke sayan su koko kuna samun masu tallafa muku wajen kawo muku su a wallahi shi yake kaka shi tunda babu mai kamuna wannan kayan liktoci a kama mu ga shi da yake kawo abin shi yana muni madalla shin ko ko su animation da mun san wata ana wa'annan turnuwa ana wasu animation kayan a shiga cikin gasar lalle shin kuna yin wa'annan animation ko ko wasan da ne ta kwallo wallahi bana kai mun yi animation tunda mun kira sai mai ga hada gingin lamfon ma ya zo katin mai edition din kowa ya gane shi a duniya ma duka kowa ya gane shi ya zo ya yi animation da yawa mhm. muna so mu sani yanzu ya kuke aiki da mutanen da suke kawo muku tallafi wallahi muna nan ga kiransu fisibila muna so su kama muna tunda duk wanda ya ce balo mutum guda hawa bai iya komai sai da kama sosai shi dai ne muke fata a kama mu yara tunda yaran in an kama musu ya kamar su ne eh, a benin na gobe manyan gobe tunda shi dai ne ke so fisibila da abin da suke ba muna nan ga suna nan ganiwa inda abin bai nan ga zuwa daga gaba da bai makonci ne ne amma duk wanda ka biyan shi muna sa cikin balan shi dai muke fata muna nan ga kiran manyan nan wanda suke son balo kai ko wani bai son balo muna so su zo su gani yanda ake yi tun da lamu dawo ta bangaren animation in nan shi ita animation in kuna yin shi ne saboda haɗin kai na al'umma don su juwar in a samu cohesion koko don eh, ƙara hulɗa tsakanin mutane bisa kan menene wani tem ne wani take ne kuka ɗoka aka yi wannan animation wallahi wannan taken da na ɗoka don mutane mu zan uwa guda mu zan uba guda tunda kowa su da ba san mu juna ba amma a sanadin wannan balan yanzu mutane sun zama abokan juna kin gani yanzu example a kowa gingilan fu suna ganin shi da ne tele amma saboda ni ya zo hagu banda sun yi ma exchange limai suna hira da gingilan wannan ma alhamdulillah wannan ma karuwa ne to wannan ma karuwa ne da mu al'umma muna so kuma zan uwa guda mu zan uba guda wannan tunan da muke yi ba bahaushe bane bai kensha na kowa ne wannan tunuwa in yayi ba a cewa bahaushe kowa ake cewa in ya lalace ko duka mu ne to madalla kayan ku girka shi wannan tjv na kufa bahaushe eh, kun yi bukatar wani wani izini hakan ga eh, kamar wani authorization daga hukumomi ko ko manyan shiya dai na wannan karci na banda wallahi ni kahin wannan premier edition in tunda na kai wani shawara wannan wajen wani mai gidana mm-hmm. na ce tunda fisibilani na san balo amma yanzu kuma nan allah ya tsaida ni ba zan iya bar balo a haka ba ina so zan yi wani kare balo na yara mm-hmm. eske yana yiwa ya ce wala wannan ide na kirki ne mm-hmm. ina yi babu matsala kawai an gaji da abin da za ka yi kawai ka yi tsakani da allah na zo kuma na gaya mu mata mamma mata ce babu matsala kawai yi ina da beki ma hana fara premier edition yin haka haka yanzu kin ga muna katar edition tunda ni da abin da ke hina shawara da mutane ni dai ban iya wannan to madalla su wannan matasa da ake ma organizan wannan turnuwa yaya suka karbi abun suna ga dokar shi da muhimmanci ko suna ga sa wasa wallahi yaran fisbilai suna nan ga dokar shi da muhimmanci tunda da abin da kake so dole kama shi da zuciya guda tunda ban taba gaba yaro ya zo ya ce ya zo tunuwa ko an bata mishi rai ko an zage shi tunda duk wanda ya zo mu muna respectan shi ne da zuciya guda inda abin nan bai da wasu basu nan ga shiga ma da ta kusa muka yanzu muna da ekipa wajen ashirin babi mhm. kin ga abin yana nan ga cigaba to madalla tambaya ta karshe ko akwai wani jan kunne ko wata shawara da za ku ba su matasa ekip inda za su je final rasam din Allah kai mu wallahi abin da mu ga musu su ga masu supporter din su wannan abin da ake wannan kofin mutum guda zai ɗauke shi su san da wannan ja wannan Allah ya rubuta shi wanda zai same shi kin san akwai duk inda aka tara jama'a akwai masu tada ma mutane hankali to su ga masu fotan kin su su kwantar da hankalin su ja wannan kofin na mutum guda ne wanda Allah ba ja Allah dai ne ba shi muna so kuma wani abin ya fara lafiya ya ida lafiya ba mun so mu samu wani fitina tunda tunda aka fara ba mu samu wani fitina ba na san da kuma Allah su da final in ma za a yi shi lahiya ida shi lahiya Madela, on ne peut pas mieux finir. Merci Abdelrazak d'avoir répondu présent à cette invitation du studio Kalangu. On vous souhaite une très belle journée et bonne continuation pour ce tournoi des jeunes. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve juste après cette courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission Les Niger sur Kalangu, animée par Samira Rouafi et Maria Madi. Place à présent la rubrique Environnement. Au Niger, la journée du 3 août de chaque année est une occasion pour beaucoup de citoyens de planter des arbres. Mais euh, par manque d'un bon entretien ou pas de tout, euh, la plupart des populations, ces plantes finissent par disparaître. Pour en savoir sur les bonnes pratiques pour entretenir un arbre, notre reporter Asmana China a rencontré Suleiman Ousmane, agriculteur professionnel et pépinériste. D'abord, pour planter un arbre, il faut préparer le sol. Si vous ne préparez pas le sol qui est un peu le support là où l'arbre va vivre, va puiser toute sa nourriture, ça ne va pas marcher. Il faut creuser un trou assez grand vous mettez du fumier bien décomposé et un mélange de sable et de fumier bien décomposé. Après, vous faites votre plantation. Si vous achetez un arbre aussi qui n'est pas adapté et qui aura besoin de beaucoup d'eau, qui n'est pas adapté, si vous le plantez par exemple dehors sans entretien, ça ne va pas marcher. Et dernièrement, il faut utiliser des protections. Aujourd'hui, nous avons la chance qu'il y a du matériel recyclé, soit des protections avec le bois et aussi des protections avec le fer que certains artisans font pour protéger l'arbre, que ce soit de la dégradation par les animaux, que ce soit même de la dégradation par les humains. Parce qu'aujourd'hui, dans nos villes, c'est même les humains qui sont responsables souvent de la dégradation des arbres. Maintenant, quand on revient au trou et au fumier dont vous avez parlé, il faut le creuser, mettre du fumier pendant quelques jours. Il y a un temps pour, euh, entretenir et venir prendre l'arbre après. Disons la meilleure technique pour avoir de très bons résultats. Déjà, nous sommes en saison de pluie. Donc, pour quelqu'un qui a l'intention de planter son arbre, donc l'idée c'est de creuser un trou à peu près 0,50 cm, donc un demi-mètre de diamètre et de profondeur un demi-mètre. Donc il enlève tout le sable. Maintenant, il cherche du fumier. Du fumier, quand j'ai dit fumier, qui est déjà bien décomposé, donc qui est qui, est décomposé, disons. Donc maintenant, il prend la moitié de son sable qu'il a fait sortir de son trou et il prend l'autre moitié avec du fumier. Maintenant, il va refermer son trou et il laisse cela pendant minimum 10 à 15 jours. Là déjà, il a préparé son sol pour la plantation. Maintenant, au moment où il va venir faire la plantation, déjà le sol va vraiment accueillir cette plante de façon idéale et elle va se développer de façon convenable le suivi du jeune plan, comment ça va se faire Bon, pour le suivi du jeune plan, actuellement, nous sommes en saison des pluies. Donc, en termes d'arrosage, on peut dire que déjà vous bénéficiez de la pluie. Maintenant, l'idéal, quand vous voyez par exemple, il y a à peu près une semaine à 10 jours sans pluie, vous pouvez apporter un arrosage complémentaire pour votre plan. Avec un seul seau d'eau, cela va permettre à votre plan de pouvoir supporter le stress de 10 jours de manque d'eau. Maintenant, la suite, c'est que de temps en temps, vous allez aussi venir désherber les herbes là qui vont pousser autour de l'arbre, vous enlevez ça. Mais n'oubliez pas que la protection, c'est vraiment ça qui va vous garantir la réussite et la croissance de votre plante. Je vous ai dit qu'il y a trois types de protection. Il y a les protections que les gens font définitives avec des, ciments, des briques en ciment. Il y a les protections avec les fers recyclés que les artisans font. Et il y a les protections maintenant faites avec du bois tissé que vous allez mettre pour protéger vos jeunes plantes. Normalement, si vous arrosez convenablement, Jusqu'à la fin de la saison de pluie, déjà la plante va commencer à se développer. Et par après, vous faites un bon arrosage une fois par semaine. Cela suffit pour que votre plante puisse grandir convenablement. Est-ce qu'il y a des moments précis pour arroser Pour l'arrosage dans les conditions climatiques du Niger, il est recommandé d'arroser le soir à partir de 16h30, 17h jusqu'à la nuit. Pourquoi Parce que souvent quand vous arrosez, par exemple à 10h, à 11h, il fait chaud, l'eau, disons l'eau qui s'infecte dans le sol va chauffer et cela peut brûler les racines de votre. Vraiment, il est recommandé d'arroser le soir vos plantes. Et faites attention, il faut toujours observer vos plantes s'il y a des maladies ou des feuilles qui changent de couleur, vraiment c'est des signes que soit la, votre plante a besoin que vous lui mettiez du fumier ou elle est malade. Et pour ça, vous pouvez demander conseil aux agents de l'État, de l'environnement ou de l'agriculture s'il y a des produits, par exemple, à mettre. Et pour ça, vous pouvez prendre même des photos pour aller demander conseil et par rapport à votre plante. Les maladies des plantes sont dues à des parasites ou bien Oui, il y, a, il y a pas mal de choses qui attaquent les plantes parce que pour chaque espèce, il peut y avoir différentes maladies. Pour les maladies vraiment ce qui est recommandé, c'est que quand vous voyez votre plante, elle, ne grandit pas, par exemple. Vous l'avez plantée, au bout de, un mois, vous n'avez pas vu de nouvelles feuilles. Ah, là, donc ça veut, dire qu'il y a un problème. Vous observez, si vous voyez par exemple la couleur des feuilles a changé, c'est devenu jaune ou ça a tendance à ne pas donner de belles feuilles, là, il faut alerter. Donc l'idéal, vous prenez la photo de votre plante et vraiment vous partez au niveau des services de l'environnement ou de l'agriculture pour leur montrer le problème que vous avez. Et ils vont vous recommander le type de produit que vous allez utiliser. Parce que les produits d'habitude, c'est un peu des, des, des, des, produits chimiques et c'est dangereux de les utiliser sans conseil. Maintenant, pour ceux par exemple qui, qui veulent traiter naturellement leurs plantes, ils peuvent utiliser même le jet d'eau quand vous arrosez là, les plantes avec l'eau du tuyau. De temps en temps, il est recommandé d'asperger vos plantes parce que cela permet de nettoyer certaines maladies. Vous pouvez faire ça. Si vous avez de la poudre, de la cendre, de temps en temps, vous pouvez mettre autour de votre plante le temps qu'elle grandisse. Mais majoritairement, vraiment, on n'a pas beaucoup de maladies sur les arbres ici. On n'a pas beaucoup de maladies, à part les arbres fruitiers qui ont vraiment d'autres maladies assez, assez complexes. Mais les arbres de type ombrage, par exemple le Nîmes, par exemple euh, l'acacia, par exemple euh, tout ce qui est Kaya sénégalensis, toutes ces plantes-là, ils n'ont pas pratiquement de maladie. Voilà, c'était un reportage de Asuman China. Merci beaucoup. Mariam, je crois que c'est le moment de faire un clin d'œil aux artistes nigériens de la diaspora avec le titre Sonki de Ismouane. Si seulement tu sais à quel point je tiens à toi. Tu n'allais jamais en aucun cas t'éloigner de moi. On s'était promis amour, confiance et joie. Mes sentiments sont verts et tes doutes de moi. Souviens-toi de ces bons moments qu'on a passés. Rappelle-toi, nous nous sommes aimés sans préjugés. Pardonne-moi pour le mal que j'ai pu te faire. Comprends-moi, pour mes enfants c'est involontaire. Moana de son vrai nom Ismaël Diallo est la nouvelle voix de l'afro-pop. Il poursuit maintenant sa carrière musicale aux États-Unis où il a et, et produit des divers, dans de divers lieux. Il chante en trois langues, nigérien mais aussi en français et en anglais. Oh, ah. Chers auditeurs, c'était le titre Sanki de l'artiste Ismo Wan. Passons maintenant à l'écho des régions et nous allons parler des travaux du programme de grande irrigation de DIFA. En effet, l'ouvrage progresse de manière satisfaisante, promettant une reprise efficace de la production agricole locale. L'annonce a été faite par le gouverneur de la dite région qui a effectué une visite sur le chantier. Reportage Guidi Abdurrahman. Trois mois après le lancement des travaux du programme de grande irrigation, le chantier progresse de manière satisfaisante selon le général de brigade Ibrahim Bagadoma, gouverneur de la région de Difa, qui a récemment effectué une visite sur le site. Nous sommes revenus constater non seulement la réhabilitation de la digue initiale, mais également la construction d'une autre digue d'un kilomètre qui n'était pas prévue. Ensuite, il était question de réhabiliter la station de pompage. Heureusement d'ailleurs qu'on est venu à temps parce qu'elle était sur le point de s'effondrer. Donc on a pris l'option de la reconstruire intégralement. Les travaux sont en cours. Également, autre chose qui n'était pas prévue, c'était de la construction de nouveaux forages. Ces forages, leur avantage, c'est que euh, ça rend l'irrigation des périmètres tout à fait indépendante de la circulation de l'eau de la Komadougou. Une digue de protection de canaux d'irrigation et diverses autres infrastructures ont été installées, réunissant ainsi les conditions requises pour une reprise efficace de la production agricole. Pour ce qui est de la digue, la digue de 1 km elle est terminée dans sa globalité. Il y a une autre digue qui a été jugée utile par le conseil technique à savoir le génie rural et après une constatation de 1 km. Elle aussi, elle va finir dans maximum deux semaines. Donc pour ce qui est de tous les canaux d'irrigation, actuellement on est actif là-dessus. On est en train de bousculer du mieux pour que, et, et aussi d'ici fin du mois, au large de la première semaine du mois à venir, qu'on arrive à finaliser. Pour ce qui est de forages, les 11 forages qui nous ont été demandés de souffler, d'ailleurs réhabilités, ont été réalisés, réhabilités les neuf auto-forages ont été réalisés et tout l'ensemble d'exors, tous les nécessaires qui, rentrent dans la mise en eau sont sur place ici à Difa. Ce projet de grande irrigation est mené à bien par des Nigériens, ce qui réjouit la population locale. Le directeur général de l'ONAHA, le lieutenant-colonel Bilali Gambobo, dresse le bilan de progrès réalisés et le respect des délais de livraison des travaux. Ce qu'il faut constater, c'est que les travaux sont allés au-delà de nos espérances, au-delà de nos attentes. Les matériaux sont présents, le personnel est là également avec son matériel, aussi motivé qu'au départ. Après les techniciens, ça va nous faire en gros 75 000 hectares qui, si elles sont vraiment mises en valeur, exploitées, elles peuvent couvrir à elles seules et largement les besoins en riz de toute la population du Niger. Selon les explications fournies par les techniciens contrôleurs, les ouvrages ont été réalisés dans le respect des règles en la matière. Grâce à ces aménagements, DIFA pourrait produire plus de 600 000 tonnes de riz par an, contre un besoin national estimé à 550 000 tonnes. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Samira, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Bonjour. Le taekwondoïste nigérien Noureddin Isak Garba était sur les tatamis ce matin à Paris aux Jeux Olympiques. Oui, Samira, le combat vient de finir à l'instant et Noureddin a été battu en huitième de finale de moins de 58 kg par Belay, Levis, l'Australien. Rappelons que c'est pour la première fois que Noureddin participe à cette compétition internationale de haut niveau. Grouze, à l'heure actuelle, quels sont les pays africains qui ont eu des médailles Pour l'instant, le Kenya a 4 médailles, l'Afrique du Sud 4, l'Ouganda 2, l'Éthiopie 2 médailles, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, une médaille, une médaille, chaque pays. Les éliminatoires de la Ligue des champions africaines de la zone B de football côté dames, c'est pour bientôt. Oui, euh, Samira, la compétition va se dérouler en principe euh, du 10 au 23 août 2024 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est l'AS Garde nationale Dame qui va représenter le Niger dans la poule B en compagnie de Asakas euh, Ladies FC, Omnisport Étincelle et Edo Kins FC. Voilà pour le sport aujourd'hui. J'espère que. À demain. Inch'Allah. Merci, Gourouza. Après l'espoir, allons découvrir notre star du jour de la rubrique Portrait. Et nous partons en Matamei dans le département de Kanti, région de Zender, à la rencontre d'un jeune homme âgé de 32 ans qui s'est distingué des autres par sa bravoure et son ambition d'exercer un métier, celui de la vente de thé vert dans un petit thermos très rentable. Reportage signé Habousser Saleh. Âgé de 32 ans, le jeune Maman Sagir Ousmane est marié et père d'un enfant. Il a quitté les bancs de l'école en classe de CE1. Aujourd'hui, il a décidé d'entreprendre contrairement aux autres jeunes de cantier qui s'adonnent à la mendicité à l'extérieur du pays. Le jeune Maman Sagirou vend du thé vert préparé. Il exerce ses petits commerces depuis 12 ans. Cette activité lui rapporte quotidiennement jusqu'à 1750 francs CFA. Certaines personnes vont te prendre comme un monsieur qui n'a pas de rêve ou quelqu'un qui ne réfléchit pas en disant comment se fait-il que tu te cantonnes à un petit métier comme celui-là qui n'a pas de lendemain en tant que jeune. C'est vrai, tu as des difficultés. Le conseil que je donne, le jeune, c'est une lance d'avant-garde dont on ne sait pas ce qu'il va devenir dans le futur. Donc, il faut prendre son courage à deux mains, mouler avec de la patience. Plaise à Dieu, tu t'en sortiras. Nonobstant les difficultés, Maman Sagirou lance un appel envers les les jeunes qui hésitent à s'adonner à l'entrepreneuriat. L'argent que tu vas investir pour payer les frais de transport pour aller dans un autre pays, pour chercher de l'argent, est-ce que d'abord c'est une certitude que tu vas gagner l'argent Alors que en restant même au pays, tu peux gagner de l'argent. Dieu va t'aider. Certes, il faut aussi de la patience. Nous les jeunes, c'est une problématique à laquelle il faut se pencher et réfléchir. Plaise à Dieu, si l'on fait son commerce dans la légalité, tout va arriver dans la simplicité. C'est le premier conseil. Deuxièmement, il va falloir que l'autorité nous Le vendeur du très prisé compte développer son entreprise. Son objectif est d'occuper les autres jeunes du cantier qui n'ont pas encore compris les dangers de l'exode. C'était le reportage de Abou Serki Saleh rendu au studio par Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, allons pour notre dernière balade musicale de ce matin. Samira, tu nous proposes quoi Mariam, je propose à Philola Diva avec son titre Niger. Ohé, ohé, ohé, ohé C'est indigéré que t'aies fierté Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Quand ça t'a à Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Niger, kéni, kéna, waka Ohé, ohé, ohé, ohé, ohé Une belle guerre avec un joli désert Je suis fière de toi mon Niger Très qui ne reste en moi aucune autre terre Sous d'égalité et d'intégrité nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. Si le Niger est une belle cavie, oh ohé, oh ohé, oh Si oh eh un Nigérien que t'es oh ohé, oh oh sababu bambanci keni kema waka keda baki da kama Niger ta kwanciyar hankali babu ina da des filo la diva. Samy Lelotti du Desk Femme du studio Kalangu du jour porte sur l'espacement des naissances. En effet, le Niger a le taux de fécondité de 6,1 enfants par femme en moyenne selon les Nations Unies. Pour bien espacer les naissances, le meilleur moyen est l'utilisation de méthodes contraceptives. Écoutons Rekia Arimi et Rafika Ataher sur le sujet loti, loti, loti, loti, loti, suna eh hamsa he ni sai no ay goga salambo alhana sai mahamu he manoni go koy e ga kanewo irkoy beri da fundugo rai ga dicere da ai ga fongu giri takino ya kan ay mandinin alhana mamu zan kai no nai lakkalaiza mata nigo samai go dole no me min lakkalaiza ni koy zan nai ku ga fatta ifo sai no ni nan yin se hmm, ai dai ga ti inya mamu tubarkalla oho mamu ni dai yar zakai wala kai kai kai wai ni goga kiman dino walmate igiri marge sintina wana gwanda jiri hinka hamfanta mu gwanda jiri fu da wani kan kayan fandara a handu iye irkwai beri ni gini bon wi yaki gafa nisi gendidan hanyan ai da kyarga mara no gendidan hanyan ai da kyarga mara ifa ga tiyadin kwai ne a gannan no ni ga hammu mu fullan zama hannu ga gunda fo sambo a ga gendidan hanyan ai ga mara a gannan ni mudu iza lokaci kan ni ba. Ah, ai faham. To mata no ai gite. Sintina ga dai makwai ga shawaran da nufu koyo. Da a yarda ni ga hinga kwai loktor kwara. Ima kuri san buni sai ga imin nowo kan ga himan da ni. So ku fason kan sa gona kan ga hagwai da wadini. Kwai ne nan kul kan ni kwai isi ba da lata riga. To, da ai fu koyo mani yarda fa. Zama borno kan a harka ga gabu. Kwai ne borai no kan gane izbob duyan arzakano hmm. ifo arzaka to dama ni yarda nigi hinga kwai gadi sataidin kan aice ni se ibu kaga gendi dan hayyan ai di charga mara amfano ki ase silman kaina igane ase kan gendi dan hayyan ai da charga mara wo asi borganji hayyan a ganan no a mafullan zami hinne hal aga gunda fusambu hamsa za ininu gune iga bai kan ni farga wani matkan ni zenunda hmm, boradin yan yonwo ga gabu aino ga bai gumo te haikul kan nigi teni fu koyo ma yarda aga hinga ba ni ga gendidan hayyangai da kyar gamara fondai buyon wudu. zama a sanno no ganwa han niga te ni, aigin no fahamai kai na fo zama haifon gona kan himni mutu dindu iza banda a himanno nima nan giri hinka har niga san bugun da fu kan da ni izai nasu taken takenta niga tabi kwai ne bar ma gwai da yiwo a gwanda ma'ana gumu Fonda foyon no gono iga kyada za sin tina ga aici ni sai kan ni da labana tina kulgo gwamnati gindabo din kwa loktor kwara igene fahamandi gandidan hayyangai da kyar gamara fonda kulubon fonda foyan mu gono ni dikan irgo afrikira na nan diyan sanniga ka da irwan turi foyan kan wai borai amfanin da bakan isiga bugumo wani labari kano yan nomi to fonda yiwo si hayyangai gangi sam a a he ni lakkale kanandi zani na gandidan hayyangai da kyar gamara nan diga gunda sambo ni dai ai bumbo na afo sambo amma ai ba ni samai aha oh me to ai kwanda ai hayan da gida zama ai ba ai fahimu kuma halai ga kwanda sannowo ai fu koyodo fonda yiwo sinda lahani haitu wase hey nan ai maki nise gendi da hayyan da kyar gamarawo da masal kulwai borai ga ni lakkale kanandi wallahi ai sabo charo to ni gadi zama gendidan hanyar da kyar gamara a wanda amfani beri mazenya da izabano zan kai salum yawo matakan ahimanda fulan zamai haifo hey a gaba gumo hmm, to na baba haya irma haya Passons à présent à la culture linguistique et ça sera avec euh, Moussa Hassan Anzarma qui va nous expliquer le mot indépendance. Bonjour Moussa. Bonjour Samira, bonjour. Euh, euh, <laughs> <laughs> non, c'est ma fille, je ne vais pas oublier son nom. Quand même. Malika, non, c'est pas Malika. <laughs> donc aujourd'hui, je suis avec vous pour parler de l'indépendance, mais en Zarma. Mhm. nkuna matkanci na yaran na ci da saran kala bondurbo asibe kurse ra asibto kan bisa uta hando ajirbi zanga gati inizel labu bonduri jingar zaro kan irgoga jingar ato jiri wedun da daga beneyan aninga matkaran fahambra bondura din bonno irgi salan hunkuna ka cara ka kubaira matkanno agonon da bondura le mantikala misano walimne alhali no karra inna da mizafo wal inna da mizai kunda igogo goro kan sinda bara bara kan sinda imi yadda borfo yamma ka ga na hanka an gaishi bara wal fondo kan gaishi ba gane yan kan sinda yamma nan borfo siyasa la sabu kan kange bayo bo ngai ma addini fo gana ka kan si addino din bande dan fondo ka si bara ni adai buren no kan ngai funa da hankan ga kan ngai bina sai dan nan kai bungai mu ko ngai ne ga gana kan sin da bini bayi wala kan mu fo borfo mu kaka idan imati ha ki si ba wal borfo ngai bai sai wala ngai bumbo na fahin na maga ni mu jama'a cin gidan fo na kan si bala yani ga bonduro wo gore no karra bankan go ara nigiti ni bayo wo kan gin nafa ninda bore kan ninda go charbandi ga kande bon dura din ine inga no gannan bora ni tere kan nigite ni goye kan nigite ni sijire kan nigi sokon ni mite kan sinda fundi bayi kulu ni zade yon fonde ni nogi suban ni bonse ni ba ni ko jine matono ni ba ni jine ko yango mateda ni ba ni mudu ngwari matono ni ngwaro din cecinda ni ba ni mudu yachin matono ni gace cinda asin ni barfom ne se a ah, din te yacin no aga bisani se yachin ne nino gini bombay nino bay hina kan go nise no bay matkan gini te da kan sin dorandi nga kan de labu do hare kambo bondur goradin ngino ganan kwara walinu ne labu kan gondin ga bondura i ime hin kingai bombay ngai bonse labizai ngai no ngai bombay tabbata matibura kunno te president tabbata matibura kunno go go berbere bo amma ngai no suban gidan boreyan kan ga te ise wo kanga wo gogo bata bora dinga yani ga wudin ti bondura da bayan mu labu kan go ngo bondur gorera wal kwar kan go ngo bondur gorera labu me ame ikambarana go hay kul kan go labora i wonono matka gita se ngai no gaba yani ga bondura wo irgi hin kinne matkan dai irko ni bore takandano akada ni go ni gorera mate ni bayi ma te wo kan di dama wo kan gi ni kina hanse da ni mari ni bonse da ko ni ni jina ni bonse ya din ga ni no go be han kan ni ba matano ni ba mate da manno ni ba mato kan sai ni borfo ma di ni se wal borfo min ka ni fonda bo wo kayir gi ni ga ci bondura bon dai no ya ci ne ina solan da hunkuna halayar ko gegir cabe hanizo kan goka irma yegudu sanni zafo ko ne kan bon irka ga cara ka kwarai ga calno bere ka tonton ik sabu musa san da fama wa kaga ne no bon doga bon madalla a bientôt inshallah. Chers auditeurs, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu studio kalangu ayno salay musa kango windi tan lalle lakkal kana do haray irla bugu bukata ko lakkal kana ga gum gum gum manci kaina aga himanda radiyai bon wala hay kan ga himanda im sensibilisation yente borese danga bon fere kanga chenni ko konda lakkal kana do mu mo hoggayde labari tari wonay internet e bon sanne ke sinne de bon kayang hin kanda lakkal tunay borayde cergamra bare mu ko kadi ka wada wodi yen irko mi se lakkal kana irko mir labono lakkal kana irko subhanahu wa ta'ala mir fahamandi irko mir wa tar tar labari de hangani yen assalamu alaikum sido kalangu ayno hajar hamidu kango bolle yara songo feng feng ka kigogte irko de mir wada fayan feng ko wa asiburi yari nga binde irko mi na irim ba ka tinya fo babu fo kamna kulkan fayan fayan kate fitin na ga kandi adin ga irko talba hannu mun irim saman da cari ko mun irim tin ya fo babu fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ti studio go ya ka fasin su banante ai mayori isa haruna jole irgan ware irne da labo sai la kalkane irko ma aslami wa fakandi irga bara irdimo anema zumbu la kalkana anema sun tinga zumbu irko ma tabbatandi irkoy mai hinita jo gano lakkal fondi fonde imi sambu imi tabbat imi ni samai. ba ni sama irmo kai ga mai mo irmo mai yadda mai yada ga ni sama irma ba ni irma tun ni wadi nur go bumare irko ma da na islam kul sai la kal kanu asintin ga zumbu alhamdulillah irsa abu gumu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arawon yakfo sina daino sana abuba kango indiki nan balle yara ya dinno e, wake ga kwarai labi zai ga imate e, jin dafo imete ɲafo baba fo ima do wane labo katibi zamani jero irsha la lakaltune da kalkane na daga nijero bai bore kan badan kyar kan bara da duga irin wani labo ka wayo dullo iri ko ma iri ir se ko min no gini ko iri ko min no la kalkane iri ko ma sujin da gomini fonda fere iri wani labo da islam tare labai kulu wallahi ma daga ci hagu bai zira jo suru wallahi ruwai diyan wa daga ti labi zai mi cedi, burai mi cedi ga nya yafo baf kyar ngwari wasu hagu ni zella bora bore mate iri wala kalkana da ni riga ba mu te iri ni labo ra iri mu gurbani iri mu turbani iri mu di nan go fo bor mu zamu sambu இருக்கா irim yadda sai amante irim ya fo ba fo irim keddi irim funbor fo nangu fo bor harkara irim ni zellabo di amburi zam labu kunno sir se gibis ni zellabo illa bo daga ciri ni zellabo karargo ngi ciri ba funa yadin gamo irim ko kirgi cedi irim labo bore abi sir irim te bor fo labo harka borum funbor fo labo harkara gidi ni labo zam labo no ginna nafa din koy benin labo no din ya ganda mo ni labo no yadin gamo ko kirgi labo han samburi wallahi aiwo kai di daina ni ne tsaye am kasa urafa muna saurara bidiyo kalangu yana wayar da kan jama'a can da ana cikin 'yan matsaloli ma amma albarkacin ana saurari mutane yanzu sun fara ganiya saboda cikin dan lokaci kaɗan ne ake yin shi kenan tunda abin nan yana ci gaba da jama'a yana waye musu kansu ya kamata a ce ma tun da sahi in aka kama shi hammare ce. ni muhammad rabi mati suna na wanda aka sani da suna bandar nan tasawa ina shirin studio kalangu sosai ma a ɗari bisa ɗari muke shirin ta kawai ya ra'ayi na bisa studio kalangu gaskiya akwai wani shiri da suke yi na zo ki je ki ina shirin nago go ina san shi kwarai kwarai kwarai kwarai tunda akwai abubuwa da ake bayyana wanda mutane ba su ma san da su ba kuma yana katar da mutane ana sa kaman irin harkar jiya kuma har da yau ma ana sa ciki ni ne mamman sani sama'ila dan kabu kabu bakin likita gindawa eh, gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai kwarai e eh, saboda kaga radio tarmamu wannan da si ka samu wannan studio kalangu muna jin daɗin shuraren shi sosai da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu Chers auditeurs, n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Alors, point final de cette édition de ce mercredi 7 août 2024. L'édition a été assurée par Notre-Dame de Fer Adam qui et la technique par euh, Mustapha Ayouba. C'était un immense plaisir de passer une heure avec vous, chers auditeurs. On se dit à demain, mais en attendant, très bon appétit à tous.